jërëjëf une question d'actualité pertinente li ma d'abord j'ai le cœur meurtri de sentir une trahison de la sorte Souleymane Dene pour avoir été le premier ministre de Macky Sall pardon le premier ministre de maître Abdoulaye Wade su demee ba di wax propos yi dafa ñaaw table ils ont le plus bénéficié d'Abdoulaye Abdoulaye que de quiconque je le cite Souleymane Ndéné Ndiaye moo fa nekkoon yaa Diagne Fada ñoo fa il y a notre ami Fabou Ligue Nyofanekon. Il y a certains ivrognes que je ne veux pas quitter, citer Nyofanekon. Tu sais, dafa niaou. Parce que Souleymane Dere a eu à dire des propos yo xamné nit ko am culture républicaine waru ko wax. C'est une honte ñom ñoo wara rousse. Parce que Abdoulaye Wade defal na leen lepp askan wi mo len jéppi. tay su ngeen demee ba di wax le libéralisme tay yeen amu len fu ngeen adossé wu ça fait honte ça fait ça fait, ça fait peur parce qu'un politicien, tu dois être imbu de valeurs républicaines. Un politicien, tu dois être vraiment celui-là qui est imbu d'éthique et de morale. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. C'est ce qui fait honte. Alors, les meilleurs tout simplement moi, Daniel Warachamniki, le PDS est indétrônable le PDS existe s'ils partent ils parlent seuls ils vont seuls personne topp ils doivent comprendre aussi que Maître Abdoulaye demeure, nous, nous sommes prêts à prendre le leg. Maintenant, si Momak ak Amnon, Sall et Makissal, ils ñu jaar ak de la sorte ils di dit que xarit un grand responsable dina naan diw sama xarit la chaque jour tu chantes ça alors que lui il ne l'a jamais dit ça fait honte ça fait désordre